le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou Si vous nous écoutez en ce moment, c'est grâce à notre réseau de radio partenaires 31 au total qui diffuse en direct les programmes du studio Kalangu. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le forum de la presse qui allait tous les vendredis soirs. Le forum de la presse, c'est ce rendez-vous hebdomadaire avec nos confrères de la presse écrite ou audiovisuelle pour décortiquer l'actualité. Dans le forum de la presse de ce soir, nous revenons sur la libération du président du mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger Mogène, Sirajissa, et notre confrère Ali Soumana, fondateur du journal Le Courrier, qui a bénéficié, lui, d'une liberté provisoire lundi dernier. Le premier a été arrêté pour outrage à un citoyen chargé d'un service public et le second poursuivi pour complicité de soustraction de pièces de procédure et violation du secret d'instruction. Autre aspect du forum de ce soir, la montée des eaux du fleuve du Niger. Après avoir atteint le seuil orange, les conséquences ont déjà commencé à se faire sentir au niveau de certains villages riverains dans les régions de Dosso, Tilaberi et Niamey. L'augmentation des tarifs de location des boutiques du grand marché, objet du de mécontentement des commerçants, nous reviendrons ce soir sur cette grogne qui a conduit à une journée marché fermée le lundi 11 septembre dernier. Volet éducation, la recrudescence des mouvements de grève des étudiants ces derniers jours. Mercredi passé, ici à Niamey et à Zender, les étudiants ont érigé des barricades pour protester contre la non-satisfaction de leurs revendications, dont entre autres la bourse ou l'aide sociale. Et du côté des scolaires réunis au sein de la section lycée, section collège et lycée, la rentrée des lycéens prévue lundi prochain pourrait connaître des perturbations sur leur, plateforme revendicative déposée en juillet dernier ne trouve pas de réponse appropriée. Pour en discuter, nous sommes ce soir avec les confrères Hussein Issa, journaliste indépendant. Bonsoir Husseini. Bonsoir. Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Bonsoir Issa. Bonsoir et Jafar Maman, directeur de publication du journal L'Indépendant Plus. Bonsoir Jafar. Bonsoir. Merci à tous d'avoir honoré notre invitation. Présentation de cette émission à la et Mahmoud. auditeurs et auditrices du studio Kalangou, merci de rester fidèles à nos programmes. Bienvenue à tous dans le forum de la presse. Nous débutons ce forum par la montée des eaux du fleuve Niger avec tout ce que cela comporte comme conséquence, notamment les inondations des villages riverains et l'engloutissement des rizières dans certains cas après avoir atteint le seuil jaune le 1er septembre et le seuil orange le 7, septembre dernier. Le fleuve menace des milliers de personnes. En effet, dans sa dernière publication, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, OCHA, annonce qu'à la date du 11 septembre 2017, les dernières crues dues aux eaux charriées par les affluents dans le bassin du fleuve ont occasionné des inondations dans les régions de Dosso, Tilaberi et la ville de Niamey. Dans ces trois régions, au total, 70 villages sont touchés par ces dernières crues. 89 407 maisons effondrées, deux décès. Aussi, la production du riz est hypothéquée sur 2801 hectares. Alors, euh, je m'en vais commencer avec euh, vous, Issa Mormadougou, de la radio et télévision Ténéré. Comment comprendre euh, cette crue rapide des eaux du fleuve du Niger Faut-il voir une conséquence peut-être des changements climatiques ou simplement le cours normal des choses euh, écoutez, moi je pense qu'il y a des techniciens qui travaillent au quotidien par rapport à l'étude sur le niveau du fleuve. Nous savons tous que c'est la période. Et cette année, bien avant la saison, il y a eu des prévisions météorologiques qui ont dit que voilà que cette année, nous serons assistés vraiment à des précipitations qui vont durer, qui peuvent aller même au-delà de la saison agricole. Donc, c'est qu'il y a lieu de comprendre qu'il faut s'attendre à tout vous voyez, la majorité des affluents ont euh, repris l'activité et même les affluents qui n'étaient pas en activité il y a des années ont repris l'activité avec des eaux abondantes qui convergent vers le fleuve. Donc, moi je pense que on n'a pas tellement utilisé les chiffres et les prévisions des techniciens. Si on prend en compte cela, on aurait pu éviter le pire. Mais il faut le dire aussi que ce fleuve-là, nous l'avons laissé vraiment ensablé de telle sorte que quand les eaux arrivent, les eaux débordent. Malgré les digues, quand vous prenez le cas de Niamey, c'est vrai, il faut, il faut apprécier. Ces digues vraiment ont fait leur travail. Parce que sans ces digues, avec le niveau actuel du fleuve, le quartier Lamont de aurait disparu. Mais certes, c'est vrai, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, on a au niveau des prévisions météorologiques. Au niveau de l'ABN, il y a des techniciens qui... On a fait des prévisions. Qui font des alertes. Qui font des alertes. Mais pourquoi on ne prend pas soin d'analyser toutes ces prévisions et de prendre les dispositions nécessaires. Il faut que le mal soit fait pour que c'est en ce temps-là qu'il faut réagir. Non, nous ne pouvons pas continuer dans ce thé-là parce que notre pays, il faut le comprendre, c'est un pays pauvre, un pays en voie de développement qui n'est pas libre de ses politiques. Alors, comment nous pouvons continuer à gérer ces catastrophes. On a un dispositif de gestion des catastrophes, mais qui n'est pas financé par l'ONU. Nous n'avons pas la capacité aujourd'hui. Au-delà de ça, au-delà de ce programme, nous avons un comité qui est régi au niveau de la primature qui gère ces questions de risques liés et de la gestion des, catastrophes. Avec un ministère aussi. ministère. Mais c'est que même le ministère, le ministère, c'est un ministère qui commande, il faut le dire. Nous n'avons pas aujourd'hui tous ces sinistrés-là dont vous avez le nombre, ce nombre-là, c'est inquiétant. Est-ce qu'aujourd'hui, ces gens-là sont pris en charge par l'État Prenons le cas de Gabogura ici au niveau de, de Niamey. Il y a eu des inondations. Mais les gens, maintenant, même ces sinistrés qui demandent à l'État que c'est l'approche de la rentrée. Ils ne peuvent pas continuer à, occuper les classes il faut que l'État trouve des solutions. Nous n'avons pas les moyens maintenant de la prise en charge. Ce n'est pas comme les États que vous voyez aujourd'hui qui sont victimes d'ouragans où les États réagissent promptement pour la prise en charge de ces sinistrés. Moi, ce que je vois, il faut que vraiment nous avons des services compétents. Il faut vraiment prendre en compte leurs observations pour pouvoir prévenir le pire. Alors, euh, Ousseini Issa, euh, la gestion des catastrophes, euh, un défi de plus pour le Niger bon, ben, un Notamment, c'est, un, de plus. Celle de ces derniers jours. Oui, bien, le défi, dans tout, de tout temps, ces défis-là ont été pris en charge par les humanitaires parce que ça, ça, dénote un peu, comment vais-je dire, euh, de, l'inefficacité, de l'inutilité de, ces structures qu'on crée, ministère de gestion des catastrophes, tout ça. On les crée, mais il n'y a pas les moyens pour pouvoir faire face efficacement parce que à chaque fois que le problème se pose, et on n'est pas, c'est pas la première fois que ça arrive. <laughs> les années antérieures, on a assisté à ces jacques de catastrophes. et On a vu qu'à chaque fois, c'est souvent les humanitaires, tout au plus ce que le gouvernement fait, c'est de trouver un site de relogement un site de relogement au profit des populations sinistrées. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe quand on délocalise, on déplace les populations qui vont sur les sites-là Ils vont rester pendant la période d'hivernage. Mais dès que les pluies s'arrêtent, ils ont tendance à revenir sur les mêmes lieux, sur les mêmes lieux pour reconstruire. Et personne ne fait quoi que ce soit pour leur empêcher de s'installer. On a déjà trouvé une première solution, on leur a donné des lieux de recasement, mais malheureusement, les gens vendent. Et quand les gens vendent, ils reviennent, ils s'installent, ils reconstruisent leur maison. Moi, j'ai dit, il faut savoir être rigoureux souvent quand on prend des mesures et faire en sorte que ces mesures-là soient respectées. Mais on ne fait pas cet effort-là tous ces gens-là, aujourd'hui, la plupart d'entre eux, on sait bien, le lit du fleuve, avant que tous tout, tout, le quartier-là ne soit construit, parce que Gawé était au niveau de l'hôtel Gawé et de l'Onarem. Le quartier Gawé, qui, a commencé à construire la rive droite, il y avait que, comment vais-je dire, euh, la Mogde, qui était un village euh, machin, à l'époque. Mais les gens se sont installés progressivement, il y a eu des nouveaux quartiers, mais c'était dans le lit du fleuve. Et tout le monde le sait. Tout le monde, tous ceux qui connaissent un peu l'histoire de Niamey savent que c'est comme ça que les choses sont. Mais personne, et à chaque fois, et c'est les mêmes personnes qui sont aujourd'hui victimes parce que quand les maisons sont tombées, dès que les pluies se sont arrêtées, ils sont revenus, ils ont reconstruit leurs maisons, ils ont vendu les parcelles de l'autre côté les parcelles qu'on leur a attribuées pour pouvoir construire des maisons et rester durablement là-bas. Alors, que faire, faire Mais que faire, il, faut, il, il, faut, mettre un peu, comment vais-je dire, euh, il faut être dur avec les gens. Quand le gars, on te donne un ménage, on te donne une parcelle, on te maintient là-bas. Quand tu reviens, on te fait cet espace-là, c'est un espace public. On ne peut plus venir s'installer dedans. Mais on ne fait pas ça. Alors, que, et si les gens sont déjà sinistrés, euh, on ne peut pas quand même les laisser. Euh, oui, mais quand la personne, est, la personne est sinistrée momentanément, on lui a donné un espace. Maintenant, un terrain pour pouvoir construire un endroit où c'est viable. Mais quand la personne ne construit pas l'endroit, la personne vend l'espace. La personne revient à son ancien site, sur son ancien site, et il reconstruit. Avec les mêmes matériaux, les matériaux précaires, le banco, inévitablement, quand, au bout de deux ou trois ans, on, assiste au même phénomène, la situation va se reproduire et on, va être là dans une situation où il faut tout le temps gérer les gens. Euh, Jafar Maman du journal Indépendant Plus, qu'est-ce qui est le plus frappant euh, dans, cette situation le, plus frappant dans cette situation, je pense que Issa l'a évoqué, <coughs> c'est la non prise en compte de prévisions par des, des services compétents et des experts en la matière. La preuve si ça a été euh, toutes ces prévisions euh, des différents euh, à, différents échelons de compétences, si ça a été pris en compte par nos, le gouvernement et nos autorités publiques, je pense qu'on aurait dû éviter, ne serait-ce que à 80 peut-être ou 80, 90% euh, de, de, ce qui est arrivé. Euh, quand vous prenez Issa Hussein l'a bien expliqué euh, par rapport au, à Niamey, c'est de, de situations de redéploiement. Les gens, on, se rappelle la, la question de, de de, du site de relogement euh, qui, qui, a été viabilisé chez nous beaucoup. Il fallait même euh, s'interroger sur euh, qu'est-ce quest qui est devenu ce site-là, à qui il appartient, quels sont les, propriétaires actuels pour savoir comment ça a été. Et à, ce stade, il faut comprendre aussi qu'il n'y a pas eu assez de rigueur dans la gestion de l'après nous C'est-à-dire, puisqu'on aurait nous, on aurait dû euh, structurer, prendre des mesures énergiques par rapport à, toute la zone euh, euh euh, qui a connu l'inondation et qui a fait l'objet, dont les habitants ont fait l'objet de relogement. Euh. justement. Maintenant, par rapport aux autres localités, notamment des villages, surtout le long du fleuve, euh, du fleuve à partir du Niger, notamment dans la zone de Tilaveri à il y a un cycle prévisionnel des inondations. Oh, bon, néophytement, on dit que c'est à partir de 10 ans, chaque 10 ans, il y a des situations qui se répètent. Mais du moment où il y a eu des prévisions, euh, il fallait communiquer. C'est ce que le gouvernement peut-être euh, a manqué de faire. Il fallait communiquer et prendre des dispositions, puisque prévenir ce genre de catastrophe est, plus facile que euh, de venir au secours des, des, victimes, puisque la preuve aujourd'hui, tout est humanitaire, tout est urgence au Niger, et par ces temps, je ne vois pas ces structures-là logées à la primature et le ministère euh, l'élection humanitaire qui lui-même est humanitaire. On, sait qu'il y de sa prise en charge, il a besoin lui-même peut-être des actions humanitaires. Je ne vois pas en quoi il peut régler certaines, ce genre de questions. Donc il faut prévenir. Restons toujours dans ce chapitre par rapport à ces inondations. Nous avons en ligne notre correspondant à Dosso, Daouda Hassan, pour nous parler un, peu plus en détail de la situation dans la région, euh, notamment de Dosso. Euh, bonsoir Daouda Hassan. Bonsoir, Kouzi. Donc, euh, dites-nous, Daouda, le département de Gaïa n'est pas aussi épargné euh, par ces inondations. À ce jour, quel est le bilan disponible en termes de dégâts et comment les gens s'en sortent Oui, Kouzi, on parle de 15 villages touchés, parmi lesquels il y a des déplacés sur les sites aménagés à C'est l'exemple quand on prend du village de Combo à quelques km de Gaïa. Dans cette situation, euh, il n'y a pas seulement que les déplacés. Le problème le plus urgent reste l'eau potable dans ces, dans ces zones inondées. Donc les eaux du fleuve ont englouti les puits, ils ont inondé les puits de telle sorte que la population n'arrive pas à avoir l'eau potable. C'est d'ailleurs la préoccupation des autorités en visite sur les lieux. Lesquels le, le, ministre, le ministre de l'Action humanitaire était aussi dans la zone. Oui, c'est justement ça et également le gouverneur de Dosso, qui d'ailleurs avec euh, le concours du service de l'hydrologie a promis une solution urgente au problème d'eau potable pour ces villageois. Mais pour l'heure, c'est seulement les médias sur place qui procèdent à une campagne de sensibilisation sur leur zone par rapport au traitement des eaux en cette euh, période pluvieuse. Pour faire face aux maladies hydriques oui, justement, les maladies. Bien. Autre chose, Dauda Hassan, nous apprenons également qu'une pirogue transportant plusieurs dizaines de passagers a chaviré mercredi dernier euh, dans cette zone, toujours dans le département de Gaïa, faisant des morts. Quelles sont les informations dont vous disposez à, ce sujet Oui, justement, tout c'était euh, le mercredi dernier, donc euh, aux environs de 11 heures, sur le fleuve entre les villages riverains de Gatouani dans le département de Gaïa et Lolo, un village de Kamba au Nigeria. Selon donc le chef du village de Gatouani, M. Isidoro, la pirogue s'est brisée par derrière en pleine manœuvre sur le fleuve avec à son bord près d'une cinquantaine de passagers et bagages, ce qui du coup a attiré cette pirogue en profondeur. Avec l'intervention des autres pirogues et surtout de la garde civile du Nigeria, 60 personnes ont été séparées et transportées au soin, donc euh, de l'autre côté du Nigeria. Et, par la suite, donc, euh, avec donc l'intervention de la brigade militaire du Nigeria. Selon toujours le chef du village de Gatouani, ces 37 personnes qui sont euh, portées disparues, ils sont jusque-là en train d'être cherchées par cette brigade militaire du Nigeria. Bien. Euh, est-ce qu'on peut, est qu'on peut voir ici un lien entre cet accident et la crue des eaux du fleuve ou pas du tout Pas du tout. En réalité, selon les témoignages que nous avons recueillis et celui du chef du village de Atawani, c'est juste la, la pirogue qui s'est brisée, donc par derrière. Bien. Euh, merci beaucoup, Daouda Hassan, pour toutes ces précisions. Je vous remercie. Et restez avec nous pour, le, pour suivre le reste du forum de la presse. Euh, donc nous venons de suivre avec euh, vous donc notre correspondant Daouda Hassan euh, dans la région de, de Dosso. Euh, Madougou, un commentaire ou un complément d'information peut-être sur ce qui vient de dire notre correspondant, notamment par rapport aux inondations, ensuite par rapport à cet accident malheureux. Peut-être un commentaire, parce que nous venons euh, d'apprendre ce qui s'est passé. Euh, pour le cas des accidents sur euh, le fleuve, on sait que c'est courant un peu au cours de cette période, parce qu'il y a la surcharge des pirogues, y compris les personnes qui utilisent les pirogues et les marchandises. C'est ça le problème et on ne peut pas dénombrer. Par exemple, aujourd'hui, quand ça se passe se On peut dire que non, il y a une cinquantaine de, passagers. Or qu'on peut charger plus de 3 tonnes euh, euh, euh, ce moyen de, navigation. Alors quand il y aura accident, on va dire on a secouru 100 personnes, il y a 30 qui ont disparu. Donc vous voyez un peu le paradoxe parce mm-hmm. qu'il n'y a pas un contrôle. Et sur, le nombre de passagers. Et ce n'est pas quantifié. Les gens n'ont pas vraiment cette science aujourd'hui, parce qu'il faut comprendre la majorité des gens qui. Il n'y a, pas de liste. Euh, non, il n'y a pas de liste. il n'y a pas, vraiment une <laughs> expertise là-dessus. Mais pour le, cas des inondations, c'est le même problème qui se passe à Niamey et dans la région de Tilaberi. Mais il faut le dire aussi, surtout à partir de Bomba jusqu'à dans la région de, euh, à la frontière avec le Nigeria on a des villages là-bas qui sont peut-être, on peut pas dire, même dans le lit, dans le fleuve même. Des îles C'est des... Pratiquement. Euh, non, il y a des îles, mais il y a, ils construisent jusqu'aux bordures. Parce que quand l'eau vient, quand vous voyagez dans ces euh, villages-là, vous allez être vraiment euh, sidéré de voir les, le risque que les gens prennent pour construire. Donc il faudrait aussi utiliser, comme il a dit tout à l'heure, chapeau pour ces médias locaux qui sont en train de faire ce travail de sensibilisation. Mais il faut que les autorités s'y mettent pour les sensibiliser. Par exemple, pour leur dire que pour votre propre bien, reculez un peu de tel mètre parce qu'on ne sait pas, on ne maîtrise pas maintenant les, calculs. Il y a les changements climatiques. Et on, est en, septembre, les plus continus. Par exemple, aujourd'hui, à l'heure actuelle, DIFA est sous la pluie depuis midi. Pourtant, Difa, ce n'est pas une région qui est toujours arrosée. Vous voyez un peu qu'on n'a pas maintenant la maîtrise. Mais ce qu'on ne prend pas, si je reviens sur ce que j'ai dit en premier, on ne prend pas en compte les prévisions. Nous avons aujourd'hui un outil qui nous permet de prévenir tout avec le centre piloté par la NASA au niveau de la l'agrimètre. C'est vraiment quelque chose que nous avons ici, que nous devrons utiliser à bon escient pour éviter le pire. Bien. Euh, Jafar Maman, je reviens à vous. Euh, Qu'est-ce qui retient particulièrement votre attention par rapport au, euh, cas particulier de, la région de Dosso, de Gaïa oui, c'est pratiquement la fréquence des inondations. <clears throat> on se rappelle euh, pratiquement autant on constate les, les, les situations, pour ainsi dire, douloureuses liées aux inondations à Niamey, surtout le long du fleuve. C'est la même chose dans la région de dessous particulièrement à Gaïa. Ça veut dire qu'on revient toujours sur les questions de prévention et sur les questions de comportement. Je pense qu'il y a un travail euh, de communication que, les autorités doivent faire, que ce soit le pouvoir, euh, le pouvoir central ou que ce soit les municipalités, je pense qu'il y a un travail qu'il faut faire. Euh, je comprends peut-être comment euh, les, les autorités Local comme central ont cette, euh, ce réflexe-là dès qu'il y a des inondations de, communiquer. Mais pourquoi ne pas le faire en amont C'est-à-dire pour prévenir. Mais là, puisqu'il s'agit de mobiliser les partenaires, puisque peut-être à la, euh, dans le lot de, de, de, de l'humanitaire, de la sensibilité, peut-être certains se retrouvent, d'où l'activisme. Mais pourquoi ne pas prévenir Toute la question est là. La prévention. La prévention. On ne peut pas ce euh, c'est pas des choses qui, sont maîtrisables lorsqu'elles arrivent, les cas des accidents, les cas des situations d'inondation, mais quand même, lorsqu'on prévient, on réduit euh, la situation. Quand elle arrive, c'est on, la minimise et on gère ce qui arrive. Mais lorsqu'on qu'on attend toujours, euh, ce ministère de l'action humanitaire devrait avoir tout, tout un plan de communication préventive pas de communication pour, pour euh, chercher les moyens Justement, et c'est on le constate et à chaque fois, ce comité-là qui est, qui est euh, l'odieux à la primature, on ne le sent que quand il y a, inondation, quand il y a les inondations. Alors que c'est à l'approche de cette période-là, de cette saison, qu'on doit sentir l'activisme de ce comité pour alerter, prendre les, prévisions et aller vers les populations, sensibiliser les populations. Et en même c'est en là même que certains partenaires peuvent intervenir pour, euh, pour d'autres financer des digues, pour d'autres financer quelques abris qui peuvent résister aux aléas de, l'inondation. Mais c'est pas pendant, après là on, on, crie à la catastrophe puisqu'il y, y, y a, beaucoup qui se retrouvent dans cette affaire, hein, il faut le dire. Alors, euh, vous n'avez rien à dire par rapport à l'accident Oui, par rapport à l'accident, je pense que là, c'est généralement, on, le constate, c'est des moyens, euh, on utilise des outils euh, plus ou moins archaïques dans ces genres de transport parce que c'est pas tellement contrôlé. Euh, vous voyez même le, le, le, le, transport urbain, le transport avec euh, tout ce qu'on a comme moyens, comme euh, infrastructure, c'est que ça engendre, chaque année. Il y a des prévisions, je ne sais pas si en 2015 ou 2016, on parle de, de, de des milliers de morts, hein, plus de 5000 morts liés aux accidents de, de Ça, vous parlait des accidents justement. Maintenant, ça, c'est même euh, l'espace réglementé. Et le, le transport fluvial n'est pas réglementé. Les outils ne, ne, ne, passent, ne subissent aucun contrôle. C'est bon, c'est un truc qui se fait à la périphérie euh, de façon informelle et c'est à cela que je, je aussi j'invite les autorités à s'y intéresser à ces domaines-là puisque euh, il faut l'organiser et peut-être il y aura le moins de secours. On a la gendarmerie fluviale, on a quelques euh, sécurité fluviale, mais ça ne permet pas d'être présent sur le, lieu et d'accompagner ce sujet. Je pense qu'il y a euh, toute une formation à faire et un suivi pour accompagner ces, transporteurs. Ousseini ça. Je vais compléter Jafarou parce que. Sur quel point C'est bien la prévention, mais il faut faire l'action. La prévention, c'est quoi C'est informer, sensibiliser. Mais ça sert à rien du tout. Dans tous les domaines, pratiquement, on passe à faire des actes de sensibilisation, des campagnes de sensibilisation. Mais ça change quoi Il faut faire l'action. Les gens, quand ils s'installent, ils sont au bord, en train dans un lit. Au niveau de la région de Gaïa, comme à Niamey, c'est la même chose. Les gens refusent de bouger. Mais il faut les déloger de force. Pour les amener où Pour trouver un site quelque part, les sécuriser et faire comprendre aux gens, quiconque revient encore dans cet espace-là, voilà ce qu'il en coûte. Voilà, déclarer la zone inhabitable. Mais tant qu'on ne fait pas ça, on va les déloger. Les gens, ils vont aller prendre des parcelles, ils vont ou des espaces, mais ils vont revenir après. Dès que la saison de pluie comment fini, les gens vont revenir. Ah, quelle est, la faisabilité de, de la faisabilité, c'est l'État. Pouvoir déplacer ah tout un village. Non, non, non, c'est euh, l'État, mais on n'a pas délocalisé. Moi, je vous ai parlé tout à l'heure quand on a commencé de Gawé. Gawé était à l'emplacement actuel de, de l'hôtel Gawé et de l'Onarem. C'est ça le quartier Gaoui. On les a délocalisés, on les a menés à Rubanda de l'autre côté. Mais ils ne sont pas restés. Est-ce que les gens sont encore venus euh, revenir euh, occuper la place Ils ne sont pas revenus. Parce que tout simplement, tu n'as plus de possibilité de venir t'installer. On t'a déplacé, tu dois rester là où on t'a amené. Maintenant, tu peux revendiquer qu'on t'amène un peu l'accompagnement nécessaire, c'est-à-dire l'électricité, l'eau. Voilà ce qu'il y a lieu de faire. Maintenant, pour ce qui est de l'accident, bon, l'accident, en tout cas, par rapport à ces questions-là, vous savez bien, les moyens de transport entre, comment et fluviales dans nos pays, c'est des archaïques c'est du bois. C'est du bois. Et souvent, c'est surchargé. Isa Madougou l'a dit, c'est surchargé. Il y a 50 personnes, mais c'est comme comme produit, comme machin, les courges et autres, pour transporter, amener de l'autre côté. Le poids, le poids peut faire en sorte que ça se casse. Et c'est ce qui s'est produit. Certainement, probablement, c'est ce qui s'est passé. C'est lié au poids. Et ça a cédé. Et quand ça cède, on <coughs> est à une période de montée du fleuve, montée exceptionnelle du fleuve. Inévitablement, il y a des gens qu'on ne peut pas, en tout cas ceux qui ne savent pas nager, qui ne savent pas se débrouiller dans l'eau, inévitablement, ils vont être emportés par le courant. Et certainement, c'est ce qui s'est passé. Il faut le déplorer, mais tant qu'on ne réglemente pas tout ça. Comme l'a suggéré euh, ça, va, ça va survenir tout le temps. En tout cas, régulièrement, ça va. C'est pas la première fois que ça arrive, ces genre d'accident. Mmh. Au niveau du fleuve Niger, là. Parlons, parlons à présent, parlons éducation. La reprise des activités académiques euh, au niveau des universités connaît déjà des perturbations. Pour preuve, la recrudescence des mouvements de grève des étudiants ces derniers jours. Mercredi dernier, il vous souviendra, ici à Niamey, à Zender, les étudiants ont érigé euh, des barricades sur certaines artères, alors que le lundi 4 septembre passé déjà, ils ont boycotté la reprise des cours. Les revendications tournent principalement autour des arriérés de bourse, du paiement intégral de l'aide sociale ou l'achèvement des infrastructures devant servir de salle de cours. Alors, alors euh, Maman, comment vous observez toute cette situation concernant les revendications des étudiants et les méthodes que ces derniers utilisent pour faire pression Bon, ça, cette question est ta question me rappelle euh, un peu le le rapport dressé par le comité mis en place euh, pour évaluer la, la, la situation, euh, la, euh, euh de, la situation douloureuse à l'université de Niamey. Je pense que le, le, comité qui a été mis en place par le, le gouvernement a fait un rapport et qui contient des propos, des recommandations pouvant éviter ce genre de situation. je pense que dans ce rapport, il a été question pour les autorités euh, d'accepter les dialogues, d'écouter les scolaires, les étudiants. Ça, c'est capital. Euh, même si on n'a pas le moyen de prendre en charge les revendications des étudiants et des scolaires, et même des syndicats, hein, des partenaires sociaux, pour un État, pour un gouvernement, je pense qu'il faut accepter les dialogues avec tout ce qu'ils comportent comme euh, imprévu. Il faut l'accepter. Euh, secondo, il appartient aussi aux scolaires de savoir euh, privilégier les méthodes modernes, puisque aujourd'hui, c'est ce que j'ai toujours dit. Euh, l'étudiant de, 90, l'étudiant de 93 n'est pas le même aujourd'hui. Qu'est-ce que tu appelles les méthodes modernes Les méthodes modernes, c'est la communication. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de cette, de, de cette question-là. Ça veut dire que avant, il faut qu'on constate que la, la, voie est barricadée, un pneu brûle, il y a une fumée pour dire que c'est les scolaires. Alors aujourd'hui, on a tous les canaux disponibles modernes de communication. on a la possibilité d'aller vers d'autres structures qui peuvent influencer euh, l'État, et qui peuvent aider les scolaires à aller vers un terrain d'entente et trouver des solutions. Je pense qu'il y a tout un paramètre qu'il faut exploiter, mais il appartient le grand, il appartient au gouvernement et aux autorités de tutelle de, prêter le flanc d'abord pour une bonne compréhension de ces de questions. Et Issa Madougou de la radio et télévision Ténéré, n'est-il pas mieux que les uns et les autres fassent des concessions pour l'intérêt général, notamment euh, autour de cette question des étudiants? Moi, je pense que l'apport doit être partagé entre les deux parties, du côté des étudiants que du côté du, gouvernement. Jafar l'a dit, les étudiants doivent faire vraiment leur manifestation dans le respect des lois. Les recommandations du comité chargé de faire la lumière sur les événements tragiques du 10 avril en a fait des recommandations. Il faut prendre le temps. Mais c'est qu'il y a un couac. Pourquoi Parce que quand la situation se détériore, de plus en plus, vous n'aurez pas le temps de réfléchir pour penser qu'il y a des méthodes. Vous êtes obligé d'arracher votre droit quand vous le négociez et qu'on ne vous écoute pas. D'autre part, du côté du gouvernement, c'est là tout le problème c'est, euh, réside. Parce que c'est le gouvernement qui joue un faux jeu, caché dans le mensonge. Vous n'avez pas les moyens. Il faut être clair. Nous savons tous qu'aujourd'hui, la crise économique internationale, nous, même les puissances sont en train de subir cette crise. Nous aussi, on est dedans. Un pays qui ne vit qu'avec l'aide du développement. On a quelles ressources Le gouvernement est en train de mentir chaque fois à l'issue des négociations. Vous promettez, dans la semaine, on va finir. Mais vous n'avez rien. Maintenant, la dernière fois qu'ils ont barricadé, on les a appelés pour dire que nous, on a des entrées au trésor, venez, on va commencer. Mais attendez, s'il n'y en a pas, soyez sûrs. Mais est-ce que les étudiants vont accepter qu'il n'y en a pas c'est sûrement le problème d'aujourd'hui. Cette crise financière que nous sommes en train de subir, dont le gouvernement nie, est à la base aujourd'hui de, de ce mécontentement des étudiants. Si vous parlez aux citoyens, si le gouvernement soit pour dire que voilà, nous sommes dans une situation difficile, qu'il faut faire des concessions et que le gouvernement fasse des, des sacrifices à son niveau d'abord. Mais vous pensez que si aujourd'hui le gouvernement le chef d'État prend la décision pour réduire ses conseillers, la taille du gouvernement, réduire ces institutions dont on ne voit pas les objectifs, dont on ne voit pas les résultats, pour dire OK, on va faire vraiment des coupes budgétaires pour pouvoir résoudre quelques problèmes et prendre les secteurs sociaux de base en charge, parce que c'est ça la priorité du développement. Vous pensez que quand on va rencontrer les étudiants, on va leur dire bon, voilà ce qu'on peut faire, parce que vous savez la situation, comment elle se, présente. Mais vous pensez que ces gens-là vont sortir Ce qu'aujourd'hui, le gouvernement ne prend pas en compte. Quand il y a un mouvement, aujourd'hui, Jafar a dit, il y a des moyens de communication. Aujourd'hui, le monde, c'est un plan. C'est une révolution planétaire qui se passe. Quand aujourd'hui, il y a des mouvements, au, au niveau des étudiants au Niger, tous les étudiants de la sous-région vont s'approprier de cette lutte, de ce mouvement. Et vous avez vu la dernière fois que ça, même les autres, euh, si vous voyez, euh, sur les réseaux sociaux, qui sont issus des autres universités de la sous-région, se sont appropriés de ça. Parce que la situation, elle, est là. Mais c'est le gouvernement de gérer. Mais tant que vous continuez vraiment à ne pas dire la vérité. Pour vous, c'est de parler franc. Il faut parler franc. Le seul le dialogue franc peut amener une solution. Parce que l'ultimatum est un étudiant fâché si le politicien ne mesure pas la portée de ses actes c'est grave. Ousseini, ça c'est votre point de vue. Parler un dialogue franc, euh, trouver une entente euh, avec les étudiants et faire des concessions en réalité, c'est ce qui a toujours manqué avec, euh, en tout cas, le régime en place. Ils prennent des engagements. Ils prennent des engagements quand ils sont acculés. Le plus souvent. On a vu les événements du 10 avril. Il a fallu qu'on tue l'étudiant Bagalé pour qu'ils acceptent finalement. Et c'est eux-mêmes qui sont allés vers les étudiants avec, euh, bien entendu, comment vais-je dire, euh, et comment ça s'appelle, le soutien de certaines structures, notamment les, les, religieux, pour faire venir les étudiants pour négocier. Ils ont négocié, ils se sont entendus sur un certain nombre de choses. Vous vous êtes entendus sur un certain nombre de choses, vous avez décidé de régler les problèmes. Vous avez fait des échanges à partir desquelles, des dates, vous avez donné des dates à partir desquelles vous allez essayer de régler les problèmes. Mais qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu cette l'enquête indépendante qui a abouti, qui a la mise en place d'un comité, qui a mis à nu un certain nombre de responsables qui sont venus mentir pour dire que l'étudiant qui est mort là, il est tombé sur un caillou, sur une pierre. L'enquête a démontré que c'est faux. Maintenant, par rapport aux bourses et autres, une fois que vous prenez des engagements, la seule chose qu'ils ont pu faire, dans un premier temps, ils ont payé, je ne sais plus, ces trois mois de bourse aux étudiants. Ça, c'est partiel, c'est pas voilà. toute la pas toute la communauté studentine. Ils ont payé. Mais il y a d'autres, il fallait maintenir le cap. C'est-à-dire, à chaque fois, essayer de régler. Mais malheureusement, dès qu'ils ont payé, et c'était terminé. On a considéré que le problème est réglé, alors que vous avez pris des engagements. Le problème, quand même on est dans des difficultés, quand on communique, on peut éviter beaucoup de crises. Mais quand on refuse de communiquer, et le problème de ce régime, c'est le déficit de communication avec les partenaires. À chaque fois, ils s'assoient, ils discutent, ils trouvent un terrain d'entente, mais quand on trouve un terrain d'entente, je suis dans une, dans une, posture où je me dis que je ne peux pas régler, l'échéance arrive, je ne peux pas régler ça à cette échéance-là la moindre des choses, c'est d'appeler le partenaire pour lui expliquer. Voilà la situation telle qu'elle se présente. Je ne peux pas régler le problème à la date indiquée. Maintenant, trouvons une autre solution pour que on puisse différer le règlement du problème. Mais quand vous ne faites pas ça, vous attendez jusqu'à ce que la situation s'envenime, jusqu'à ce que la situation se dégrade. Et c'est à ce moment, quand les gens rentrent, on dit non, non, non, ils sont là, ils sont en train de vouloir mettre. Non, il faut comprendre les choses. Quand on gère un État, on doit être responsable. La responsabilité, c'est d'abord écouter. Écouter, mais également, quand ça ne va pas, appeler le partenaire pour discuter avec lui. Autre grogne, autre, grogne, c'est celle des commerçants du grand marché de Niamey. Une journée marché ferme a été même observée le lundi 11 septembre dernier pour cause de l'augmentation des tarifs de location des boutiques du grand marché sur proposition de la SOCOGEM la Société de construction et de gestion des marchés. À propos, je vous propose d'écouter Moumouni Moussi, SG du syndicat des commerçants du grand marché, exprimant leur désapprobation. L'objet de cette grève, c'est l'augmentation des frais de loyer. Ils nous ont demandé une augmentation que l'esprit ne prend pas. Pourquoi j'ai dit l'esprit ne prend pas Parce que c'est une augmentation qui dépasse plus de 600%. jamais vu. Il y a la catégorie A qu'on paye 6 320. Ça, on demande de payer 40 000. B, on paye ça à 9 480. On nous dit de payer 60 000. C, que nous payons à 12 640. On demande de payer 80 000. Et c'est ça notre frustration. Et à dire qu'on a envoyé quelqu'un qu'on dit syndic extra comptable, nous a demandé, on lui a remis toutes nos preuves que nous ne sommes pas responsable de la faillite donc ils disent de la Sokojam. Nous, nous payons nos loyers. Oui, je peux dire que ça a été suivi partout. Nous, l'essentiel, le grand marché a été fermé. Mais on a lancé le mot d'ordre de, tous les marchés de, la région dynamique. Les autres marchés n'ont pas eu le temps d'expliquer à leurs camarades commerçants. Peut-être là-bas, il y aura des gens qui vont ouvrir. Alors donc, vous venez d'écouter... Euh... Moumouni Moussi, qui est le secrétaire général du syndicat des commerçants du grand marché. Euh, Jafar Maman, quelle analyse faites-vous de cette question d'augmentation des frais de location des boutiques euh, du grand marché Oui, je pense que c'est une question qui, a, euh, qui est partie jusque devant la justice et qu'apparemment la question de redressement et des propositions de, sauver la société, justement, est venue de la justice apparemment, c'était les, actionnaires de ce cojum qui ont porté l'affaire devant les juges. Mais en, amont, je pense qu'il y a eu un certain nombre euh, d'initiatives autour du ministère du Commerce et autres acteurs pour trouver un terrain d'entente. Et euh, j'ai suivi, la, je viens de suivre le syndicalisme, et j'ai suivi par exemple euh, des propositions où, autour du ministère du ministre du Commerce, il a été question de d'abord de, de faire de, une proposition conciliante, pas celle de Sokojom, mais qui dépasse aussi le tarif actuel. Il a été question, je pense, de faire. Euh, ils ont comparé le tarif de mètre carré dans les marchés environnants de, de, du grand marché et qui était autour de 5000 le mètre carré alors que le prix du grand marché, du mètre carré au sein du grand marché date, selon mes sources, de 87 à la création du marché. Ça veut dire qu'il était autour de 900, ça n'atteint même pas 1000 francs le mètre carré. Et quand vous comparez les autres marchés, l'influence des autres marchés et ceux du grand marché, ce n'est pas à comparer. Maintenant, il a bien, le, syndicaliste a placé les débats. Moi, je sais pas. C'est lequel c'est euh, qu'est-ce qui est à la base de la faillite de ce COGEM Toute la question est là. Si on compare logiquement, on verra que oui, euh, l'augmentation euh, trouve son sens logique. Lorsque dans un marché, par exemple à Dar es Salaam, le mètre carré coûte 5 000 et qu'au niveau du grand marché, vu l'affluence et l'importance de ce marché, de la recette, il est à moins de 1 000 francs, on peut dire que l'augmentation est logique. Mais Puisqu'on dit on augmente parce que le est en faillite, il faut la redresser. Qui est à la base de la faillite Il fallait, je pense qu'il fallait. c'est votre point de vue. Excusez-moi, nous n'avons que quelques minutes avant la fin de ce J'avais abordé dans le même sens. C'est la question, c'est la problématique aujourd'hui qu'il faut se poser. Qui est à la base de la faillite de, de et même s'il y a faillite, c'est une société en difficulté. Les textes de l'OHADA ont prévu un redressement judiciaire. Mais il faut prendre en compte tout cela. Mais maintenant, ce n'est pas parce qu'il y a des gens avec qui vous coopérez, vos partenaires, qu'il faut forcément aller leur imposer quelque chose pour pouvoir. Il faut situer d'abord les responsabilités. Mais il y a un autre côté. Si vous voyez qu'on prend de telles mesures à l'encontre des commerçants, la réalité du grand marché, c'est autre chose. Les 46 000 consorts dont il parle je vous donne, je vous renvoie à faire une enquête. Vous allez trouver des boutiques qui loue, ça appartient à d'autres commerçants qui louent mensuellement à plus de 200 000. Quand on fait certaines, on prend certaines mesures, c'est que vraiment, ils ont mené des investigations. Il y a, location sur location. moi, je connais un expatrié d'un pays de la sous-région qui loue sa boutique à 400 000 au sein du grand marché. tout à l'heure, le, monsieur, il a parlé de 46 000. Mais attendez, 46 000 et 12 000. Mais attendez, il y, a problème. La problématique, vraiment, moi j'abonde dans le bon sens. Il faut maintenant, qui, d'ailleurs même, qui sont ces actionnaires de la Socogem Qu'est-ce qui est à la base de la faillite de la Socogem Et s'il y a faillite. On n'est pas encore en faillite, hein mais c'est ce qu'ils disent, c'est un redressement qu'ils sont en train de faire pour éviter, pour redresser la société. Mais si c'est un redressement, les textes de l'OHADA ont dit que non, pour une, une, entreprise en difficulté, il y a un redressement judiciaire dont les textes sont clairs là-dessus, comment y faire pour y remédier à la situation. Alors, Ousseini Issa, euh, une, augmentation des frais de location des boutiques euh, comme alternative, euh, souvent peut-être à une privatisation de la Sokoja Oui, mais bon, ben, c'est quoi la privatisation C'est quoi Moi, je ne sais même pas aujourd'hui le statut de, de, de cette société d'État-là. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est la démarche qui n'a pas été vraiment une démarche normale. Quand vous voulez faire des augmentations, approchez le syndicat, approchez les, acteurs, les partenaires, discutez avec eux. Si, tant il est vrai qu'il y a des gens qui louent, c'est-à-dire les gens qui ont des boutiques et qui les louent, vous avez fait vos investigations, vous avez découvert, ça allait passer comme l'être à la poste. Mais ne décidez pas unilatéralement, comme ça un beau matin vous vous levez et vous décidez. Le véritable problème qui s'était posé, vous savez que tout autour du marché, il y a eu des kiosques en, tôle qui ont été fabriqués, je crois. Les dégarpis, c'était Sokojem qui avait construit ces tôles-là. Et qu'ils ont accepté que ces tôles-là soient démantelées. Ça a été démantelé, c'était une source de revenus substantiels pour, comme avait dit Sokojem. Malheureusement, aujourd'hui, eh, c'est un manque à gagner. Aujourd'hui, ils se sont levés, ils disent, ah, ils vont augmenter. Mais quand vous augmentez, appelez le partenaire. Parce que c'est le dialogue. Il faut toujours aller vers le dialogue. Quand vous dialoguez, vous allez toujours trouver un terrain d'entente. En amont. Mais n'attendez pas que le feu prenne pour vouloir chercher à l'éteindre. Parce qu'une fois que le feu a pris, ils ne vont jamais accepter. Si les gens de Sokojem, après avoir fait leur investigation pour découvrir ce qu'Issa vient de dire là, tout naturellement, les gens vont accepter. Parce que tu sais que tu es en faux. Toi, on t'a loué une boutique, tu ne peux pas mettre la boutique à location à quelqu'un. Pendant que toi, tu n'es pas dans le marché, c'est quelqu'un qui occupe et qui te paye 400 000 francs. Toi, tu payes peut-être 6 000 ou tu payes 9 000 francs. Ça n'a aucun sens. Mais c'est mm. la démarche. Il faut voir les démarches. Quand on entreprend des choses comme ça, le, temps, le temps nous fait défaut. Nous n'aurons pas le temps donc d'aborder la dernière partie de ce forum, notamment sur la libération. Euh, je le disais de notre confrère euh, Ali Soumana, qui est fondateur du journal Le Courrier, et la libération de Siraji Issa, qui est le président du MOGEN, le mouvement des jeunes pour euh, l'émergence du Niger. Sur ce point, le forum de la presse de ce soir. je rappelle que nous étions en compagnie de Hussein Issa, journaliste indépendant, Issa Mourmadougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Jafar Maman, directeur de publication du journal L'Indépendant Plus. Merci à tous euh, d'avoir été de notre Présentation Alassane Kouzi Mamadou, à la technique Ali Ibrahim Maïga. Bonsoir.